forum district the forum district the forum the forum the forum the forum Il est 18h passé de 15 minutes dans le studio Kalangou. Monsieur Dam, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou. Au micro, Nafisa Adamo Sirfo. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Quartegui FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz notre page Facebook à Studio Kalangu, notre site internet à www.studiokalangu.org. Le forum de Studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Les espaces verts à Niamey, utilité, moyens et pérennité, c'est la thématique de notre forum de ce soir. Pour cela, nous avons comme invité M. Hassoumi Toujani. Il est directeur de l'environnement et des aménagements paysagers de la ville de Niamey. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et M. Adamou Oumarou, il est secrétaire général du conseil d'administration à l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Bonsoir également. Bonsoir. L'espace vert, c'est la thématique de notre forum. L'espace vert en urbanisme désigne un espace d'agrément végétalisé, c'est-à-dire arboré, engazonné ou encore planté d'arbres ou de fruits, de fleurs. Et cette expression d'espace vert est utilisée pour désigner les espaces publics dans un milieu construit ou urbain. Alors, quelles sont les typologies des espaces verts qui existent ici à Niamey Comment se fait l'aménagement de ces espaces Quels sont les rôles et avantages des espaces verts aménagés Quels sont leurs enjeux environnementaux Comment la ville de Niamey prend en charge la question de l'entretien de ces espaces Et que faire davantage pour pérenniser ces joyaux afin d'éviter leur disparition Ce sont là autant de questions et à bien d'autres que nous tenterons de trouver réponse avec euh, nos invités. Chers invités, merci une fois de plus de nous avoir honorés de votre présence. Mais avant le développement de notre sujet de ce soir, veuillez euh, nous présenter brièvement les structures que vous représentez ainsi que leurs fonctions, euh, leurs leur mission principale. Je commence par vous, Monsieur Hassoumi. Euh, merci. Et merci aussi de l'opportunité que vous nous donnez pour nous exprimer sur ce thème-là qui est important euh, le thème sur les, la gestion des espaces verts pour la ville de Niamey. Mhm. Voilà. Bon, moi, je suis. Euh, c'est M. Hassoumi Toujani. Je représente euh, donc euh, la ville de Niamey. Je suis au fait le directeur de l'environnement et des aménagements paysagers pour la ville de Niamey. En, bon, en résumé, les responsables en question, aux questions de, des espaces verts. Mhm. Voilà, donc euh, au niveau de la ville de Niamey, cette direction est sous la direction générale des services techniques municipaux. Et cette direction euh, elle-même regroupe trois services en principe. Euh, les services de l'environnement, les services des aménagements paysagers et les services de la prévention des risques. Bon, euh, actuellement, les services fonctionnent la direction fonctionne euh, quand même, mais tous les services ne sont pas effectifs. Mais bon, dans tous les cas, euh, on arrive quand même à assurer euh, la gestion de ces espaces-là. On en crée et puis on gère aussi. Merci. Voilà. Merci. Alors, euh, Monsieur Adamo de JVE. Merci, Nafissa. En fait, euh, l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, que j'ai l'honneur de représenter, est une structure euh, de jeunes créée par des jeunes soucieux de la question environnementale et surtout les questions du changement climatique mm. et du développement durable au Niger. Mm. Je vais, on est au Niger en 2009, ça fait de cela 9 ans que euh, l'ONG a été créée. Et l'ONG a des axes d'intervention et des domaines d'intervention bien précis. Dans tout le Niger. Dans tout le Niger. Mm. La première des choses, c'est l'implication des jeunes et des femmes dans les questions de changement climatique mm. et aussi dans toutes les questions euh, du développement durable. Mm. La deuxième des choses, c'est la question de l'énergie et surtout l'énergie alternative en tant que source de développement. Et deuxièmement, troisièmement, la question de la formation et de l'encadrement en plus de ça, nous avons euh, un autre domaine qui implique surtout les enfants et les jeunes, les plus jeunes, qui est l'éducation environnementale. Mm-hmm. Il est important pour nous, à travers euh, les scolaires, de pouvoir mettre, de mettre un programme qui éduque ces gens-là dans le cadre de l'éducation environnementale. Mm-hmm. Et que cette année, nous avons débuté avec un nouveau programme qui est enfants ambassadeurs de l'environnement d'aller jusqu'au niveau des écoles primaires pour commencer à remonter jusqu'aux universités. Donc l'ONG Juve International dont Juve Niger fait partie est une ONG qui mène des plaidoyers au niveau national et international, mm-hmm. surtout la participation euh, des jeunes en ce qui concerne les couilles et les COP Mm-hmm. qui est la conférence of parties euh, des Nations Unies, euh, la question du changement climatique au niveau mondial, le plaidoyer au niveau du COPA Africa et aussi de certaines structures au niveau local. Merci à vous. Euh, comme je le disais, la thématique de notre forum de ce soir, c'est les espaces verts les espaces verts aménagés dans la ville de Niamey. Adam Marou, de par vos expériences sur les questions de l'environnement, comment vous définissez euh, l'espace vert en tant que tel euh, Pour moi, un espace vert, d'abord, c'est un espace, comme on le dit, d'abord qui est vert. <laughs> Qui, quand il dit vert, parle d'abord euh, d'un endroit où les gens peuvent se retrouver et aussi profiter de la nature. La nature qui, qui les a été offerte soit par la communauté ou soit par euh, la naturelle. un espace vert, c'est un endroit où il y a d'abord des aspects qui sont non seulement environnementaux, des aspects économiques et des aspects de développement durable. Mhm. Un espace vert, pour moi, c'est un espace de rencontre, d'échange. C'est un espace où les gens, que ce soit jeunes ou autres adultes peuvent se rencontrer pour pouvoir échanger sur des questions qui lient non seulement les communautés mm-hmm. ou aussi les populations de la ville ou d'un pays. C'est un mm-hmm. espace tout à fait d'échange où les gens prennent en compte aussi les questions, surtout de l'environnement. Ici, de la ville de Niamey, euh, quels sont les types d'espaces verts qu'on rencontre, qui existent Ce qu'on a, on a ici à Niamey des espaces verts d'abord qui sont un peu, je prends, gazonnés, la majorité Orbicole, mais pas tellement. Orbicole, c'est quoi Ça veut dire quand tu prends, il y a, quand on prend euh, dans d'autres espaces, vous avez d'autres fleurs, d'autres types de plantes qui sont là, et d'autres où c'est des gazons seulement. Hmm. Là, c'est vraiment des espaces gazonnés. Et il y a des espaces verts aujourd'hui. et Niamey, quand je prends celui de, euh, de la place Montée, hmm. qui est un espace qui n'est pas seulement gazonneuse, parce qu'il y a d'autres types de plantes qui sont là. Quand tu prends celui qui est de l'autre côté, à côté de l'Assemblée, c'est un espace vert qui est là, qui non seulement offre la première des choses, la technologie à ses visiteurs mm. et aussi des gazons malheureusement maltraités par ses exploitants. Nous prenons celui du nouveau marché qui est un espace mais qui offre plus le sport que ce cadre de vie environnemental. L'expression espace vert est utilisée pour désigner les espaces publics dans un milieu construit ou urbain et ces espaces verts, euh, on les trouve dans presque chaque ville comme ici à Niamey où depuis un certain temps, plusieurs espaces publics sont en train d'être aménagés en espaces verts. À ce sujet, nous avons interrogé le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, Mokhtar Mahmoudou, sur les objectifs à fixer à travers l'érection de ces espaces verts dans les rues de Niamey. On l'écoute. D'abord, il faut remarquer que la ville de Niamey est majoritairement jeune. Et ces jeunes ont besoin d'espace, ont besoin de, lieux. Et, ça, c'est une préoccupation euh, à laquelle nous comptons apporter une solution. Ce qui fait que <clears throat> nous avons identifié tout ce qui est espace disponible, espace public de la ville de Niamey, dont beaucoup sont en mauvais état, abandonnés, et nous sommes en train de récupérer ces espaces et les aménager à travers un aménagement simple, mais surtout qui répond à un besoin. Dans ces espaces-là, nous avons de l'espace vert, nous avons aussi de, l'éclairage, nous avons développé des systèmes de la télé-irrigation euh, parce que rappelez-vous que la ville de Niamey s'est inscrite dans les smart cities, la ville intelligente. Donc nous avons de l'irrigation euh, moderne, euh, de l'irrigation à partir des eaux douces. Certains espaces, nous avons fait des, forages. Nous avons mis des solaires, même en cas de coupure, que cet espace continue à, à vivre pour que les gens se retrouvent. Mais au-delà, nous avons mis pour beaucoup de ces des espaces-là de, la, de wifi gratuit. Nous allons continuer cela pour que euh, les jeunes de la ville de Niamey euh, puissent s'approprier de leur ville, qu'ils en fassent sienne et qu'ils se sentent euh, vraiment dans une belle ambiance urbaine. Ces aménagements vont s'étendre partout. Actuellement, nous avons un chantier, un nouveau marché. Au niveau du premier pont, on crée un espace sportif. Euh, le Bois des Nations, nous allons l'entamer bientôt. Gadefawa, bref, euh, euh, Château 1, etc. tout ce qui est espace public de la ville de Niamey sera aménagé et sera, les jeunes seront impliqués pour qu'il y ait une gestion participative des populations et des bénéficiaires de ces espaces. C'est la seule façon de pérenniser ces actions. Il faut nécessairement une, appropriation, une implication effective des jeunes. Au-delà des jeunes, même les familles sont intéressées par ces espaces-là, ce qui fait qu'à certains endroits, nous, font, nous aménageons des espaces, euh, des coins enfants pour que les familles et leurs enfants puissent se retrouver convenablement. Et dans le respect des mères, je tiens à insister là-dessus parce que certains espaces, le comportement n'est pas citoyen. Les gens, malgré malgré les poubelles qu'on a installées, les jeunes laissent euh, les sachets plastiques euh, traîner. Nous avons mis des agents pour l'entretien, mais nous allons continuer à éduquer, à sensibiliser, à responsabiliser ces jeunes-là. Et à certains espaces, nous avons constaté la consommation de chicha. Nous avons pris des mesures pour interdire cela. Et je tiens à rappeler à ces jeunes, c'est totalement interdit. Et les jeunes qui seront pris dans ces genres de pratiques, ils seront sanctionnés. Ils seront de plus en plus sévèrement sanctionnés. Monsieur Hassoumi, après avoir écouté l'intervention du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, dites-nous euh, quelle est la situation actuelle de l'aménagement de ces espaces verts de la ville de Niamey. Comme l'a dit le président, en fait, euh, vraiment, on est en pleine activité en matière d'aménagement des espaces verts. Si vous avez euh, l'habitude de circuler un peu à Niamey, en tout cas, euh, c'est vite fait, c'est vite remarquable. Euh, on voit que la plupart des espaces euh, publics non aménagés sont en train d'être végétalisés. Hein. On voit un peu partout au niveau de Grand Carrefour, vous voyez, au niveau du château 8, vous voyez, par exemple, le carrefour est vraiment mm. aménagé. Et on, ça va continuer parce que tout le boulevard de Malibéro sera aussi euh, aménagé, c'est-à-dire il y aura une plantation d'alignement sur les terres pleines centraux. Donc euh, ça a déjà commencé, on attend juste euh, certains petits détails, c'est-à-dire les protections, les corsets qu'on est en train de, confectionner pour installer ces végétations. Et au niveau du château 1, si vous remarquez aussi, euh, il y a déjà euh, la forme des, aménagements qui a, euh, ça, a déjà pris forme. L'espace là, non seulement la circulation est maintenant fluide, et puis la verdure est installée. Il y a même un parking qui est est aussi en train d'être aménagé au bénéfice des populations, des riverains et des, habitants de la ville de Niamey. Oui, mais combien d'espaces euh, verts euh, déjà aménagés compte euh, la ville de Niamey à la date d'aujourd'hui Présentement, on peut estimer une dizaine, hein, une dizaine d'espaces qui sont déjà opérationnels sur lesquels les, que les gens fréquentent, dont notamment celui de la Poste, l'espace Niamey-Niala, et celui de la place Montée Hmm? qui est vraiment déjà qui a un grand attrait. En tout cas, mhm. <laughs> les jeunes sont all time euh, sur le terrain, puisqu'il y a même aussi connecté au Wi-Fi. Mhm, euh, mhm. de l'autre côté, euh, au niveau du château 1, comme je l'ai dit, on peut dire que c'est déjà opérationnel. Il y a des bancs, on a aménagé des mobiliers, des repos, et aussi l'espace vert et un parking. Donc c'est déjà opérationnel. Au niveau du château 1 et du château 8, c'est opérationnel. Euh, la place des nations est bien, euh, bien aménagée, bien qu'il y a toujours euh, une continuité, puisqu'il y a mhm. aussi euh, d'autres des améliorations à ajouter. Présentement, au niveau de la rive droite, juste en face, de l'université là. Cet espace est aussi en cours euh, d'aménagement. Dans, son intervention, le président de la délégation spéciale il a un peu expliqué que on passe d'abord à un recensement des espaces publics disponibles. Comment se fait cette identification des espaces et comment savoir qu'ils sont aménageables Bon, l'identification, la plupart euh, des espaces actuellement qui sont en train d'être aménagés sont des espaces dédiés à l'aménagement, euh, aux espaces verts depuis longtemps, mais mhm. malheureusement, c'est des espaces qui ont connu des aménagements qui, qui est dégradés, c'est-à-dire qui, ont été abandonnés qui, qui, qui, sont plus fréquentables. Mais maintenant, euh, on a pris en compte euh, l'aménagement de ces espaces, ce qui fait que ça revient dans le rang de, de nos espaces à aménager. Mm-hmm. Et aussi d'autres sites qui sont dédiés aussi à l'aménagement des espaces. Ce sont des espaces publics, hein, mais qui mm-hmm. sont pas, qui n'ont pas été, qui n'ont pas bénéficié d'aménagement. Mais avec euh, vraiment l'ambition du président il voulait vraiment, il, a voulu qu'on change les choses, changer les <laughs> choses, qu'on se met à booster, oui, à aménager ces espaces mhm. au bénéfice surtout de la jeunesse et aussi de la population de Niamey. Mhm. Il faut reconnaître que c'est vraiment euh, quelque chose de très important pour l'embellissement même de, la, de Niamey qui ambitionne d'être Niala. Euh, donc ces espaces souvent qui sont jonchés de tout type de déchets sont présentement euh, en bon état, mhm. nettoyés et même aménagé et souvent même équipé. Mhm. <laughs> équipé, voilà. Monsieur Adamou, pourquoi un espace vert est-il important bon, un euh, espace dans une ville euh, est très important s'il respecte aussi euh, les règles environnementales. Mhm. Parce que il faut savoir, il ne faut pas créer seulement des espaces, mhm. il faut aussi prendre la question de l'environnement et la question de tout ce qui entoure cet espace. Parce qu'on peut créer des espaces verts et sans prendre en compte la question de la pollution. Parce que lorsqu'on crée un espace vert, aujourd'hui, surtout dans ces 15 années des questions des ODD, il faut, la première des choses qu'il faut faire, que ce soit un espace vert, que ce soit un parc d'attraction comme le parc du Nouveau Marché ou quelque chose, il faut voir est-ce que ce qu'on est en train de faire a un impact négatif ou positif sur l'environnement. Mhm. Quand je prends par exemple lorsque euh, on met du gazon ou des trucs ou des herbes ou des arbres par exemple, pardon, des plantes ou des fruits par exemple dans d'autres espaces et qu'on met par exemple de l'engrais chimique dedans. Ça nuit. Ça nuit d'abord, ça dégrade d'abord la terre. Donc ce qui nous amène d'abord à cultiver euh, cet espace à l'arranger à travers des techniques écologiques, de voir avec des techniques, euh, au lieu d'utiliser par exemple des pesticides pour régler certains problèmes qui nuisent à ces plantes qui sont dans ces, euh, dans ces espaces verts, vaut mieux faire du compost ou de la pesticide bio à mmh. travers le nîmes ou euh, le tabac et des piments pour contrecarrer certains euh, effets néfastes, non seulement qui peuvent polluer l'eau qui est sous terre, ils peuvent aussi endommager ces terrains parce que ce terrain va faire en sorte que ce, terrain ne soit pas pérenne. Au lieu que ça dure pendant plusieurs années, vous allez voir à chaque fois, ça n'avance pas. Oui, le gazon qui, le gazon qui est là, qui meurt. Mhm. Et des fois, on prend en compte, il y a des déchets qu'on jette, par exemple. Lorsqu'on arrange le, le gazon, par exemple, des fois on le coupe, et on les jette quelque part. Mm. Alors que ce qu'on coupe déjà constitue déjà un fumet, du fumet organique, bio-organique, déjà pour cet espace vert. Qui peut être utilisé. Qui peut être utilisé. L'espace vert est très important, comme je l'ai dit dès au début. Parce que non seulement ça permet à des gens ou un groupe de personnes de se rencontrer, de pouvoir échanger, de pouvoir voir la nature et de pouvoir aussi bénéficier de la nature que Dieu les a offert ou la municipalité les a offertes. Respirer l'air Respirer aussi l'air pire, sans euh, contamination, <laughs> etc. Nous sommes dans un, yamé où certains quartiers sont tellement pollués, où la ville, surtout à cette période d'avril, des fois tu ne peux pas respirer, même à la maison ou au boulot, alors que cet espace offre un cadre idéal de rencontre et non seulement aussi, c'est des espaces qui crée aussi des activités économiques. Donc c'est très important. Parce que quand vous voyez tous ceux qui viennent surtout dans la nuit autour de ces espaces, ça crée de la richesse non seulement pour ces populations et mhm. aussi pour la municipalité. Et en deuxième des choses, pourquoi est-elle importante Parce que non seulement il y a des activités aujourd'hui où les gens peuvent le faire dans ces espaces sans que euh, la municipalité ait non seulement financer certaines activités ou bien que les jeunes puissent dépenser pour manque de place. Aujourd'hui, ils ont des places parce que ça, non seulement ces espaces sont des espaces publics, et ça permet à beaucoup de jeunes de se rencontrer et aussi d'organiser des activités d'intérêt général. Effectivement, oui. Des activités d'intérêt général. Et je pense que c'est très important. Et je sais que nous, quand on prend chez nous, même à Juveux, il y a quelques-uns de nos jeunes, par exemple les branches locales qui sont la majorité des universitaires, qui organisent des fois des activités au sein de ces espaces. Mm-hmm. Et surtout pour sensibiliser certaines personnes qui sont au sein, qui utilisent ces espaces verts pour, euh, pour faire certaines activités qui sont nuisibles à l'environnement et à mhm. ces espaces. Mhm. Et je pense que c'est très important parce que nous, ça va nous permettre vraiment d'aider et de changer les mentalités des uns et des autres, surtout à la question environnementale. Monsieur euh, le directeur, euh, vous pensez qu'à la date d'aujourd'hui, la population tire profit de ces espaces eh bien, évidemment. <laughs> bon, en fait, euh, comme il vient de le dire, il faut reconnaître que les espaces verts constituent aussi les poumons de la ville. C'est-à-dire, euh, ça permet vraiment d'avoir de, renouveler l'air, mhm. l'air ambiant. Donc, ça, c'est vraiment important. Il faut reconnaître qu'on est au Sahel un pays où il fait 45 <laughs> degrés à l'ombre souvent, on a même du mal à respirer si encore euh, on n'a pas de quoi renouveler ces, cette air-là, l'espace devient invivable. Mhm, mhm. Et les populations en tirent bénéfice, c'est clair, c'est évident, parce que vous voyez, euh, les jeunes se retrouvent un peu, et puis même pas ça, euh, parmi les espaces verts, on compte aussi les plantations d'aliments. Il faut reconnaître que ce n'est pas seulement les espaces publics ou les gens, même les plantations qui sont au bord des de routes, et euh, devant les maisons. Il, faut, il suffit de voir les populations euh, euh, venir, s'il y a même un baptême ou je sais pas, ah, des manifestations dans les quartiers, l'ombre des arbres n'est pas à comparer avec la tente mhm. qui, sous laquelle il fait chaud et on respire mal. Donc si, imagine si chacun plante devant chez soi de l'ombre, même en cas de manifestation, les mm. gens euh, sont à l'aise. Ça, il n'y a pas à, justifier ou à, prouver. C'est clair que les populations et les êtres vivants de façon générale, les oiseaux, les animaux, les insectes, tout le monde profite, de, ces espaces verts-là, c'est clair. Sur le directeur, on le il ne s'agit pas d'avoir des espaces verts en abondance pour rendre une ville belle, mais c'est l'entretien qui importe le plus. Alors, quels sont les moyens mis par la ville de Niamey pour l'entretien de ces espaces verts aménagés tout à fait, vraiment, vous avez raison. Il ne s'agit pas de planter, il faut aussi protéger. <laughs> Hein. Donc, euh, c'est surtout là que la ville, euh, c'est la ville, euh, l'intervention de la ville est importante. Et il faut reconnaître que il faut beaucoup de moyens, mais malheureusement, souvent, ça manque. Mais néanmoins, la ville vraiment s'attelle à assurer l'entretien et le suivi de ces espaces. Mais il faut reconnaître aussi qu'on a besoin surtout de l'appui de la population. Mhm. Mhm. l'appui en ce sens que, que chacun euh, essaie de, protéger ce qui est en moins à côté de chez soi mhm. et aussi les jeunes qu'ils s'approprient qui s'approprient de ces espaces-là. Comme l'a dit le président, on compte vraiment sur ça. C'est pourquoi d'ailleurs il a mis en avant hein, l'intérêt pour les jeunes. Et donc, voyez, on essaie d'équiper ces ces, espaces-là d'infrastructures qui intéressent la, jeunesse, c'est pour que vraiment la jeunesse puisse s'approprier de ces espaces. Et mhm. c'est surtout sur cet aspect-là euh, on veut, euh, on compte pour vraiment pérenniser ces espaces. Pour l'entretien, la ville a quand même des, euh, pour les plantations d'alignement, il y a des citernes qui passent périodiquement un programme qui assure un peu l'apport, l'arrosage euh, de ces espaces, surtout en période chaude. Et maintenant, au niveau de, ces, de certains espaces aussi, on a créé des, fontaines, c'est-à-dire des, pompes qui, des factures que la ville paie, hein, mhm. qui, arrosent. arrose. Mais bon, euh, c'est surtout, surtout vraiment euh, la délinquance ou bien un peu la dégradation de ces espaces des mains de, de, de des animaux surtout, c'est ça qui, qui, pose problème. Oui, justement, est-ce qu'il y a des enquêtes que la ville de Niamey mène euh, souvent sur, ces, dans ces espaces-là pour euh, éviter la dégradation de ces espaces par les jeunes Bon, euh, en fait, les enquêtes, ça, c'est, euh, on n'a pas besoin de <laughs> faire des enquêtes pour confirmer qu'il y a tout ça. Mais ce qu'on est, en train de faire, par exemple, euh, déjà euh, le président a mis en place et les comités de quartier pour un peu sensibiliser les jeunes et les, habitants des différents quartiers et aussi pour faciliter les contacts avec la ville par rapport à tous ces enjeux-là, c'est-à-dire euh, sensibiliser les gens par rapport à l'importance de ces infrastructures-là, ces espaces verts, un peu bien d'autres infrastructures aussi, parce qu'il faut reconnaître qu'on a remarqué à un certain moment vraiment le manque de civisme, <laughs> mais, mais quand même, euh, c'est pas insurmontable. Donc avec l'approche d'intégrer un peu tout le monde, c'est-à-dire les jeunes, les leaders d'opinion des différents quartiers, on pense que euh, on va quand même euh, permettre une sensibilisation ou bien qui va aboutir à un changement de mentalité mhm. pour nous faciliter et d'étendre ou bien de, faire des extensions de, ces, ou bien de pérenniser mhm. ces, acquis déjà. Et toujours sur cette question de l'entretien, le président de la délégation spéciale a parlé de téléirrigation. Mhm. Comment ça se passe De quoi il s'agit Bon, la téléirrigation, c'est juste un système euh, automatisé qui, est branché à. Qui, peut être euh, activé par. ne serait-ce que par le portable. Hein. C'est mhm. sur le portable, vous intégrez un code, comme c'est déjà intégré, dans un programme qui déclenche un peu le système et qui permet aux pompes qui sont déjà installées dans l'espace mhm. de fonctionner et ça déclenche le système, même à distance. vous êtes à la maison, vous êtes ailleurs, même en voyage, hein, vous pouvez mettre le code, déclencher, vous arroger au moment, en temps voulu. Mhm. Ça, c'est une technologie, euh, je crois, inventée par un Nigérien mhm. qui a été primé euh, récemment. Et, c'est une technologie que nous sommes en train de profiter avec. Présentement, l'espace du commissariat central Place Montée est déjà intégré. Et ça fonctionne très bien. Avec cette, euh, Avec cette technique-là, il suffit de mettre le code à, un temps donné, tu vas voir le, le, système est déclenché. Ça arrose une heure de temps et puis ça, ça permet quand même d'arroser efficacement et puis aussi d'éviter euh, un peu euh, la, la, la, tracasserie des parce que souvent, euh, les gens, ils s'oublient, ils s'absentent, je sais pas. donc, ça permet quand même de gagner du temps. Mm-hmm et d'être efficace aussi en matière d'entretien de cet mm. espace. Mm-hmm. Bon, c'est une technologie nigérienne, donc euh, autant, en profiter. autant en <laughs> profiter. Ça a été inventé par un Nigérien. C'est mm-hmm. une fierté pour nous de pouvoir donc euh, l'appliquer et montrer même aux gens. C'est une question, c'est une sorte aussi de sensibilisation mm-hmm. pour euh, même ceux qui veulent utiliser cette technologie pour les potagers, pour les jardins, c'est accessible. En tout cas, au niveau de la place Monteil, si tu viens, on déclenche, c'est émerveillant. Monsieur Adamou, euh, comment entretenir ces espaces verts L'entretien commence d'abord euh, par la responsabilisation des occupants de ces espaces. Il faut qu'il y ait, euh, qui sont majoritairement 95% des jeunes, qui doivent être d'abord, qui doivent prendre en compte prendre conscience et que ces espaces ont été créés d'abord pour eux et de prendre de savoir que c'est leur ville qui les a offert c'est leur bien commun. Donc la protection de ces espaces est un devoir de tout un chacun. En plus de ça, euh, lorsqu'il parlait de, de, la de télé-irrigation que je voulais revenir, c'est pas seulement le temps, mais ça permet aussi d'économiser l'eau. L'eau. Ça permet aussi, non seulement aussi de savoir est-ce que eh, l'espace a besoin d'arrosage ou pas, est-ce que quel temps il fait dans l'espace, ça permet aussi de changer le temps en inter record au niveau de l'espace. Et deuxièmement, pour revenir toujours à la question, eh, la ville en tant que telle, et que ce soit la ville, les structures de jeunesse ou les structures intervenant dans le domaine de l'environnement, doit faire en sorte que qui est vraiment un aspect de sensibilisation autour de la gestion de ces espaces. Que ces espaces soient pour tout le monde, que ça ne soit pas euh, des espaces pour le maire, que ça soit une école pour tout le monde, pour que les autres communes ou les autres villes euh, du Niger ou des autres pays puissent s'inspirer de l'expérience de la ville de Niamey. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut surtout mettre l'accent sur ceux qui travaillent et ceux qui visitent ces lieux. Mm. De savoir, est-ce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, est-ce que ce pour rendre la ville de Niamey seulement visible vert est-ce que ce qu'on est en train de faire permet aussi eh, de préserver notre environnement mm, mm. Ça, c'est très important. Deuxièmement, est-ce que ces gens-là, à qui on avait créé cet espace, est-ce qu'il y a les atouts qu'il faut dans cet espace est-ce que les jeunes-là sont prêts à s'approprier de ces espaces C'est des questions que les experts qu'ils sont de la ville de Niamey doivent se poser mhm. et aussi d'essayer de rencontrer ces jeunes-là avant même de procéder, à, l'aménagement de ces espaces pour que dès au début qu'ils sachent qu'ils ont une obligation de contribuer à la gestion à la préservation de ces espaces mhm. et en plus de ça que ces populations riveraines puissent comprendre que à ah, ce qu'aujourd'hui la commune veut faire, la commune nous a responsabilisés et nous a mis devant les faits accomplis. Mm. Ah, même si tout le monde ne va pas participer, connaissant le Nigérien que nous sommes, <laughs> on aura au moins certains qui vont prendre conscience, qui vont faire en sorte que cet espace soit bien protégé. Mm. Et essayer de voir à travers le comité des quartiers, de voir si possible s'il y aura des groupes qui seront en charge vraiment de la viabilité, de la sécurisation, de la préservation de ces espaces. Et ils vont, vous allez voir en quelque temps, les d'autres vont faire de ça comme si c'était pour eux. Et donc, qu'ils vont voir quelqu'un jeter du sachet, va dire, ramasse. Ramasse, ah oui. Ah Ok, monsieur le directeur, un commentaire sur ces propos En tout cas, comme il l'a dit, on fait ça pour la population il faut que la, la population se l'approprie. Hmm. En fait, euh, la, la, réussite même de, de la chose, en tout cas côté pérennité, c'est vraiment d'arriver à avoir une adhésion populaire à tous ces projets d'aménagement que la ville est en train de faire. Hmm. Et pour cela, j'ai dit, vraiment l'approche est déjà en cours puisque le président euh, vous a expliqué. Bon, en tout cas, il y a eu déjà des comités de quartier qui ont mm. été mis en place. Ça veut mm. dire que la population est, en train d'être approchée et ils seront responsabilisés. et, tout ça est fait pour la population, pour la jeunesse, pour tout le monde toutes les catégories, sans, sans, sans, distinction d'âge, de sexe ou de quoi que ce soit. En tout cas, on n'a oublié personne. Parce que actuellement, vous voyez, euh, au bord du fleuve, là, c'est un espace de, de sport qui est mm. en train d'être aménagé pour toutes les catégories, enfants, jeunes. Oui, juste en face, du, euh, à côté du, deuxième échangeur, là, mhm. juste en face. Et puis, euh, l'aménagement du petit, de l'ancien petit marché aussi, vous voyez, ça sera un une esplanade qui va mhm. permettre quand même euh, à tout cet espace-là de respirer, mhm, hein, à tout ce monde-là, au cœur, au centre de la ville, d'avoir un point de respiration, un point où les gens peuvent s'asseoir. Vous voyez que la ville est trop fréquentée, il y a des, il y a des il y a des trucs. Les gens peuvent quand même se, réfugier là-bas pour se reposer un peu au centre-ville. Et les touristes qui viennent à Niamey, ils peuvent aussi, mhm. tout ça. Et, et, même euh, l'espace boisé euh, au niveau de, du bosquet des nations sera aussi aménagé mhm. en euh, un espace vert. Et, et, voyez, tout ça, c'est pour vraiment rendre la ville viable, la ville un peu un espace, un cadre, <laughs> un cadre de vie agréable. Agréable. Et tout ça pour les populations. Une autre préoccupation, monsieur le directeur, dans le passé, euh, plusieurs espaces aménagés ont été délaissés et par manque d'entretien, si on peut le dire, ont fini par disparaître. Qu'est-ce qui explique cette situation Cette situation, comme vous l'avez dit, c'est vraiment euh, question de manque de moyens du côté de la ville qui pensait peut-être pouvoir gérer ça comme ça, mais aussi c'est surtout surtout du fait des, manques de l'adhésion populaire. Parce que vous voyez, euh, la population euh, aussi en partie est responsable. Parce que tu vois, il suffit de voir dans certains espaces, vous voyez, des déchets, ce sont devenus des, des endroits où les gens versent des déchets. Je ne sais mhm. pas, c'est par manque de civisme, les gens n'ont pas compris. En tout cas, ils ont, ils n'ont pas compris l'importance de l'espace. Mhm. Mais, en tout cas, le point de réussite de, de notre approche, c'est vraiment l'adhésion populaire. Mhm. On pense que si la population s'approprie de ces espaces, euh, on va quand même pouvoir gérer ces espaces de façon pérenne. C'est-à-dire la, la, génération actuelle et même les générations futures, parce que y compris, comme il l'a souligné, l'éducation environnementale. Il faut reconnaître que surtout, surtout, quand je dis population, les, les structures comme les ONG, qui mm. sont déjà des, des structures euh, sensibilisées, des structures déjà euh, conscientes, leur, leur rôle, leur rôle est vraiment là c'est de veiller à ce que ces espaces puissent euh, être gérés de façon pérenne. Et ça, c'est en sensibilisant la population, en changeant de comportement et en éduquant aussi les générations futures par l'éducation environnementale. Quand on parle d'espace vert, euh, c'est de l'herbe en abondance dans ces espaces et souvent ça attire les animaux errants. Comment euh, vous comptez ou bien vous protégez ces plantes-là contre les animaux errants Bon, euh, d'abord, les animaux errants en ville et surtout, à <laughs> l'occurrence, la capitale, <laughs> vraiment, on devrait trouver une solution. Voilà. Et pour cela, tout ça, ça rentre. je reviens au comité des quartiers, à la population, parce qu'on connaît dans les quartiers qui, qui, qui gère des, qui, qui fait de, l'élevage. Et l'élevage, normalement, en milieu urbain, c'est n'est mm. pas dans la rue. Chaque, tu, élèves tes animaux chez toi et tu les mets dans un enclos. Il faut pas que parce qu'il y a plusieurs risques que ça comporte au-delà de l'occupation ou bien des piétinements que ça cause au niveau de ces espaces. Mhm. Il y a les risques d'accidents que ces animaux font dans la rue. Donc les animaux n'ont pas leur place vraiment dans la rue en, milieu urbain. Mhm. Donc c'est ça qu'il faut maintenant euh, faire comprendre à, la population et surtout on connaît dans les quartiers les familles qui gèrent les animaux. Donc il suffit de les sensibiliser, de faire des déstockages. Tu ne peux, pas élever des animaux, des troupeaux d'animaux en milieu urbain, dans la rue. Il faut gérer juste ce que vous pouvez, vous pouvez élever est maintenant dans un enclos ou bien en tout cas bien géré. Mais est-ce que cette question est, prise en compte à la date d'aujourd'hui Bon, ça fait partie en tout cas de nos programmes mm. euh, de sensibilisation pour les populations, puisqu'il y a déjà la création, il y a eu même une brigade contre ces animaux errants qui a fonctionné, qui fonctionnait à un moment de la ville. Mais bon, compte tenu de la non-effectivité de certaines actions, pour le moment, euh, on ne les voit pas, on ne les remarque pas trop, mais même, c'est prévu. C'est prévu qu'il il euh, mhm. n'est pas question de laisser les animaux errer un peu dans la ville partout. Ah, c'est vrai, actuellement, c'est vraiment une préoccupation. Au-delà même de ces animaux élevés, même ceux qui traînent les animaux, peut-être les privés qui traînent les animaux jusqu'à l'abattoir, il faut qu'on trouve une solution, par exemple, pour mhm. ça. Pourquoi mhm. ne pas chercher des camions pour transporter ces animaux jusqu'à. Au lieu de les faire traverser par la ville, ils soulèvent la poussière, ils constituent un danger pour les ils, piétinent nos espaces, nos plantations, et payer à grands frais. Et mhm. tout ça, c'est des solutions il faut qu'on trouve une solution pour ça. Bon, ça y est quand même dans nos programmes et on va payer. Monsieur Adamou, euh, qu'est-ce qui doit être fait davantage pour euh, la pérennité de ces espaces verts de la ville de Niamey On sait qu'il y a le grand problème hein, aujourd'hui, c'est comme je reviens toujours à l'éducation environnementale, c'est la base de tout. Et la commune doit s'impliquer en impliquant aussi tous les acteurs. Parce que eh, l'éducation à la base constitue le maillon de développement de tout secteur ou du pays en entier. Il faut qu'on prenne conscience d'abord que eh, ces activités qu'on est en train de faire, il y a des gens qui peuvent nous aider sans demander aucun frais, qui peuvent même des fois débourser des sommes pour accompagner certaines euh, communes ou la municipalité dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités. Et il faut essayer de voir aussi quelles sont les possibilités euh, de pouvoir gérer ces espaces sans aussi dépenser beaucoup. Je, je, pense que ça existe. Et il suffit tout simplement de faire vraiment de rencontrer tous les acteurs concernés dans le cadre de la gestion des espaces verts ou de ce qui concerne les questions environnementales, qui sont vraiment euh, très intéressés par ces questions, mhm. essayer de, que, le, que ce soit le directeur ou le maire, puisse les rencontrer, échanger avec eux, essayer de trouver euh, des, des, solutions idoines aux mots qui minent ces espaces verts. Mhm. En plus de ça, dans les quartiers, comme je l'ai dit, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, si on a, je pense que la commune a, comment on appelle des polices, il y a la police municipale qui est là. Et elle doit jouer efficacement des fois son rôle. Parce qu'on a, des fois, c'est comme si on sent que la police municipale, en réalité, ne joue pas tellement son rôle. <laughs> Mhm. Parce qu'il y a des actes qu'il faut bannir dans la ville et il, faut, il y a des actes qu'il ne faut pas regarder seulement les gens, il faut taxer les gens, mm-hmm. il faut essayer de trouver des solutions pour que les gens puissent abandonner certaines euh, méthodes qu'ils utilisent chaque fois. Mm-hmm. Parce que c'est à des coûts. Ces espaces, c'est des coûts. La commune dépense chaque fin du mois, à part même l'aménagement qu'une entreprise ou quelqu'un <laughs> prend pour, à des millions. Donc, il faut repenser à tout ce système. Et après cela, c'est de trouver, de responsabiliser toujours les jeunes de ces communes et de mhm. ces quartiers. Voilà. Nous, nous avons responsable. Vous pouvez trouver quelqu'un qui sera responsabilisé. Mhm. Et à chaque fois qu'il peut faire euh, le compte rendu directement de ce qui se passe, les problèmes, les difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de la gestion de ces espaces. On a euh, des CDC avant dans les communes, les, comités de développement communal, où il y a les jeunes, les femmes, euh, les adultes, les chefs de quartier, qui contribuent à, à certaines questions, échangées sur, avec le maire sur certaines questions de développement. Rapidement, nous sommes presque à la fin. <laughs> Je, pense que vraiment, euh, si tous les acteurs sont concernés, ont pris conscience de l'importance de ces espaces, on pouvait faire beaucoup de choses pour la ville de Niamey et je pense que pour le Niger en entier. Monsieur le directeur, pour finir, quelles sont les dispositions euh, prises par la ville de Niamey pour vraiment maintenir et éviter la disparition de ces espaces verts comme dans le passé Pour finir, rapidement. D'abord, euh, en tout cas, euh, la ville a pris les dispositions pour mettre des gens qui entretiennent, dans un premier temps, qui assurent un peu l'entretien régulier de ces espaces. Euh, aussi, la ville est en train de mener une sensibilisation euh, pour impliquer davantage la jeunesse à, s'approprier de ces espaces-là et de l'entretien de ces espaces. Mm-hmm. En plus de tout ça, euh, je crois qu'il y a même une plateforme moderne, Ignala, là, hmm. qui, qui, est, qui, est, mis en place, mais peut-être que les gens n'ont pas euh, beaucoup d'informations sur ça, mais ça va venir, qui permet quand même d'informer et, de suivre. Hein. C'est-à-dire, si vous voyez une infraction ou quelqu'un en train de faire un dégât, vous pouvez le signaler directement à travers hmm. votre portable, puisque le dispositif est déjà là, vous pouvez le télécharger, il est déjà disponible. Et il y a aussi un téléphone, un numéro vert qui vous pouvez dénoncer. Parce que souvent, quand vous interpellez les gens, ils disent c'est pas pour vous, c'est pas pour <laughs> vous, vous n'êtes pas à la mairie. vous voyez Alors que ne savent pas que c'est le contribuable qui, mm-hmm. qui, contribue à tout ça. voilà. Donc, et toutes ces dispositions, y compris aussi euh, le, la, la, mise en place des comités des quartiers, je crois que ce sont des dispositions mhm. vraiment efficaces quand ça fonctionne. En tout cas, je pense que on va pouvoir réussir euh, l'aménagement et la gestion et la pérennisation de toutes ces actions. Mais quand même, ça, ce n'est que partie remise, c'est-à-dire mhm. c'est des systèmes qu'on met pour sensibiliser d'abord tout ça, Il faut une approche pour que les gens comprennent. Après, c'est les bateaux, hein, c'est sûr. Vraiment, par rapport à, la gestion de ces espaces verts, c'est encore de, faire un appel pour que les gens s'approprient de ces espaces, pour que les gens sachent que c'est pour eux qu'on fait ces espaces, pour que ces gens, les gens savent que ces espaces, au, au 21e siècle, il faut que les gens comprennent que c'est ça qui fait vivre la ville. C'est les mm. poumons. Les espaces verts sont les poumons de la On ne peut pas faire une ville en brique, une ville en mm. béton partout. Il faut un espace, un espace pour, pour respirer. Et surtout avec les changements climatiques, tout ça contribue à atténuer notre climat qui est déjà euh, vraiment un climat euh, sahélien. Merci euh, à vous. Bénéfice de tout le monde. Merci. Adam, vous avez un mot de fin ah, mon mot de fin, c'est que la population de Niamey doit savoir euh, tout ce que la municipalité fait, c'est dans le fonds des populations de la municipalité. Et la commune doit aussi, dans son approche, expliquer à la population que tout ce qu'ils sont en train de faire, que la population sache c'est sur les taxes qu'ils prennent sur la population qu'ils sont en train d'effectuer euh, ces travaux. Parce que de savoir que la ville a besoin de beaucoup de choses, il faut trouver aussi d'autres ressources pour aller les faire quelque part aussi dans certaines sources de développement. Merci à vous, euh, chers invités. Comme vous venez de bien l'entendre, les espaces verts sont les poumons d'une ville et sont d'une grande importance pour la population puisqu'ils procurent une sensation de bien-être et l'implication de tous est nécessaire pour l'entretien de ces joyaux afin d'éviter leur disparition. C'est sur ces mots que se referme le forum de ce soir. Nous étions avec M. Euh, monsieur Hassoumi Toujani. Il est le directeur de l'environnement et des aménagements paysagers de la ville de Niamey. Nous étions également avec Monsieur Adamo Oumarou, secrétaire général du conseil d'administration des jeunes à l'ONG Jeunes volontaires pour l'environnement. À la réalisation, c'était Bouba Diallo. À la technique, c'était Chombiano Abdelkader. À la présentation, fils Adam à demain pour une autre thématique. Au revoir.